Un proverbe africain dit Celui qui a planté un arbre avant de mourir n'a pas vécu inutilement. Le parti Petit issani est aujourd'hui comme un arbre planté qui a besoin d'un soin afin qu'il puisse pousser et donner ses fruits. C'est dans l'espoir que vous vous atteliez dès l'instant à travailler inlassablement pour le triomphe du parti EPGD Isani. C'est pour cette raison que toutes les délégations régionales doivent se mettre au travail pour un ancrage territorial, territorial du fpjd Permettez-moi de féliciter le comité de l'organisation de ce congrès régional et toute la délégation départementale d'Alit qui n'a ménagé ni ses efforts ni son temps pour assurer le succès de ces assises. Chers militantes militants, mesdames et messieurs, avant de terminer mon discours, je profite de l'occasion pour vous annoncer la tenue des élections législatives partielles des Nigériens à l'extérieur qui se tiendront le dimanche.